J'avais dit Tamakuna, j'avais dit Bantam, j'avais dit Série, j'avais dit Rouga, j'avais dit la région de Dourbel, j'avais dit la région de Local, la région de Kédougou, René la Bobom, Patrice Selbopou. On est content de l'accueil exceptionnel. Très sincèrement que nous Est-ce que journaliste Est-ce que caméramani Est-ce que drone, Est-ce qu'il y a des gens qui s'imagine Est-ce qu'il y a qui gis Non, ñoom Ngoné Saliou nee na gisuñu image il faut gagner au Kisko. il faut gagner au wane non mais Kédougou c'est magnifique kan ngeen Kangan namun Kangan namun dégguma dégguma dégguma dégguma dama bëgg président Bassirou Diomaye Faye xam ni Kédougou ànd na ak moom pour jox ko majorité te loolu dina ko teg ci loxo le président Ousmane Sonko moi t'as dama bëgg ngeen wax pas mu kan gan àndal kan gan andel, kan gan àndal kan kan DJ DJ DJ Ukrainian. Ukrainian, mu faiso. Bere kabio, bere ko mu faiso. Na fas, na fai, na fai bobu. Yer so, manu and. Na fai bobu, na fai bobu. Na bobu fai, na bobu fai. Na bobu fai. Fai na bobu. Fai na bobu. Ay, DJ. Yes. Que tu crees que sou

liggéey. non. kon ñu tàmbali liggéey bi wane ngeen seen bopp gis ngeen ko et sincèrement jox ngeen avertissement ñi des ci kanam mais it wane ngeen seen bopp par ak fi ñu jot a jaar kon Kédougou vous êtes in vous êtes in alors. Nous jox honorable l'honorable député Abdoulaye Sow nous présenter les investis du département honorable député vous avez la parole alaikum Kédougou Kedougou, a déjà choisi nous a déjà tourné la page Kédougou va rentrer dans l'histoire Kédougou a choisi son camp Merci à la population de Kédougou Merci à la jeunesse de Kédougou Merci à tout le monde nous remercions la délégation qui est venue aujourd'hui nous rendre visite. Je m'en vais vous euh, présenter les candidats investis dans le département de Kédougou. Moi-même, Abdoulaye Sow, et ma suppléante Maria Massadio Diallo, dit Mama Et aussi vous présenter le candidat de Saraya. Je vous nomme Amdeta Diaby. L'honorable Amdeta Et sa suppléante Maria Sidibé. Pour vous présenter la soirée, le candidat investi Mamadou Lamine Soirée. Ils sont tous là avec nous. à tout le monde. Je commencerai mes salutations par notre tête de liste, Ousmane Sonko, et à toute la délégation de la Grande Caravane. Je salue aussi notre grand frère, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Girassi, qui est en train de tout mettre en œuvre pour que les listes, la liste de passe passe dans toute la région de Kédougou. Merci à M. Girassi. Mais je veux dire merci aussi à président, au président Bassirou Diomaye Faye d'avoir promis des dignes fils de Kedougou. Je veux dire Girassi, mais aussi à Ibrahim Kassama, un digne fils de la région de Kedougou, qui est aujourd'hui à la tête de la direction générale des mines et de la géologie. Merci à son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. waaye man nag damay commencer kaas léegi léegi suñu problème Kédougou léegi laa koy commencer kaas. Président, Monsieur le PM, sais que de d'Adé, sans nous. Parce que nous, on a tout, mais malheureusement, nous sommes classés parmi les trois régions les plus pauvres du Sénégal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, Gaï, je vais vous poser quelques doléances. Comme il y a la moyen nous nous sommes avec le Premier ministre. On va lui dire tous les problèmes de Kédougou ici. Donc je, je commencerai d'abord par la route de Fongolimbi. Monsieur le Président, on veut vraiment que vous nous aidiez à faire la route de Fongolimbi, qui n'est longue que de 28 km. Et aussi la route de Kédougou d'Indeferlo. Si vous n'avez pas été à Dindefello, vous avez entendu parler de Dindefello. Par la grâce de Dieu, nous avons la cascade de Dindefello. Mais pour aller à Dindefello, il te faut deux heures de temps, c'est pas normal. On va aussi dire qu'aujourd'hui dans la région de Kédougou, L'activité principale, c'est leur l'orpaillage. Et aujourd'hui, on a vendu toute la brousse à des, exploitants qui n'exploitent pas ces sites-là. Il faut reprendre ces permis-là. Il faut reprendre les permis. Vous allez donner ça à la population pour qu'ils puissent travailler. Parce que leur l'orpaillage fait partie des activités principales de Kédougou. Nous demandons au PM d'auditer les licences et les permis qui sont attribués dans la région de Kédougou pour redonner ça aux Kédougouins pour qu'ils puissent travailler. Monsieur le PM, je vous dirai aujourd'hui une chose. Le, le, le product de Itato, c'est à cause de ce product-là, ce fameux product, que moi j'ai fait six mois de prison. Parce que c'est à la suite du procès de Mambanya. j'ai fait une publication et on m'a accueilli chez moi. Mais allez visiter le product de Itato. Un projet qui est censé employer 500 000 jeunes. Il n'y a même pas 50 jeunes qui travaillent là-bas. Où est passé l'argent Donc, monsieur le PM, nous vous demandons de relancer ce projet-là. Parce qu'avec ce projet, que nous pouvons avoir de l'emploi. Donc les problèmes sont nombreux. Je vous remercie. Que vive Kedougou. Vive la victoire Vive la victoire Merci beaucoup Merci beaucoup. Kedougou est en train de vibrer. Kedougou est en train de vibrer ça devient compliqué de noter en tout cas tout mënatuma noter hein? Fadel Fadel je noter tout pas noter. daal ma l'Éguidal quoi kon nu jox un digne fils de cette région quelqu'un qui a toujours été présent dans ce combat je le connais pour ses principes on a partagé énormément de choses aux côtés du président Ousmane Sonko. Michel Girassi, Nyongi Nyautai, Andou aussi la présidente Maïmouna Bousso. Andou, Akiga Khamni, Tili Sibi, top Ousmane Sonko muy Faye di représenter Maïmouna de Mojib qui est une brave et une très grande dame Quant à leen qui n'y wàjjo qui ñuy wàjjox Moustapha Gilasi, ministre de l'éducation vous avez la parole Assalamu wa depuis 1960 Jotne, avec le projet avec le président Bassirou Diomaye Faye avec la tête de liste Ousmane Sonko le visage de Kédougou va changer vous êtes partie prenante de ce changement da ngeen yàgg bëgg changement bi mais fii cette fois-ci nguur bi yëg na leen daf ci saf-sap daf ci saf-sap daf ci saf-sap te Kédougou day bokk day bokk par day bokk par force Ousmane Sonko ko wax day bokk par force Fongolimbi dina bokk par force Dindi Fello Saraya par force nous allons leen di gërëm di sant jëli leen carte jëli leen carte chaque seconde chaque minute dugg leen ci kër yi dugg leen ci commune yi ci village yi bu la assure la victoire le 17 inchallah vive Kédougou vive Ablaye vive soirée. Vive Amdata Gabi. Merci beaucoup. léegi nag kan moo war wax ak yéen kan moo war wax ak kan moo war wax ak président Ousmane Kédougou Kédougou wane na boppam mais Kédougou wane na seen boppam hein? Hein. c'est le président Ousmane Sonko qui va prendre la parole d'un moment à un autre fii ci Kédougou di fàttali Kédougou musul des candidat au d'abord candidat au comme de l'on est qui duñu yekk ci zone yooyu ñu mën avant ñuy dellu si ci président Ousmane Sonko Assalamu alaikum, population de Kédougou. Nous sommes très contents d'accueillir aujourd'hui notre président de parti, Premier ministre du Sénégal, M. Ousmane Sonko. Comme vous le savez, depuis 2019, Sarah a déjà choisi son camp, le camp de Pastef. De l'indépendance à nos jours, la région de Kédougou a été succédé au pouvoir. D'ailleurs, c'est pourquoi nous avons très tôt compris et nous dans le parti PASTEF, patriotes. Aujourd'hui, à Saraya, tout est urgence. À Saraya, il y a la situation des orpailleurs qui ne sont pas reconnus par l'État du Sénégal, alors que 70% des revenus de ce département nous viennent